Remue ménage, c'est tout. Bonjour, merci d'avoir choisi la radio Future Média à 10h10 partout au Sénégal. C'est l'heure de Remue ménage qui s'installe sur nos antennes, les antennes de la radio Future Média 94.0. Ah, dans les studios de la RFM euh, aujourd'hui, deux hommes politiques, j'ai le plaisir de les recevoir et je m'en vais vous les présenter maintenant. Il s'agit de Lamine Baragay, directeur du service national de l'éducation. Euh, et de l'information pour la santé, SNEPS, membre des cadres républicains, et de Abdrahman Sal, euh, ingénieur polytechnicien et président des cadres du PRP, le Parti républicain pour le progrès de Monsieur Dekefal. Euh, je rappelle que vous êtes membre de Yewi Merci, messieurs, de nous faire l'amitié de venir. Merci beaucoup, Mour Aliou. Je voudrais, avec votre permission, saluer de façon différente l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Abdrahman, oui. Bonjour. Oui, bonjour Mamadou Alimou. Euh, premier thème de nos échanges, l'installation de la 14e législature. Ce sera euh, finalement le 12 septembre prochain. Un décret a été pris euh, dans ce sens, premier enjeu, le bureau euh, du pré, euh, le bureau de l'Assemblée nationale, le, perchoir qui va l'occuper. Macky Sall a reçu à ses députés au palais de la République la semaine dernière et lui ont donné des gages, des garanties nécessaires pour conserver la majorité. Vous avez une idée claire de ce que vous allez faire le jour J, Lamine Barra, pour que la présidence de l'Assemblée nationale ne vous échappe pas et que vous preniez une bonne partie des postes stratégiques. Merci, Mamoud Aliou. Permettez-moi aussi de marquer mes respects, salutations également à mon frère vis-à-vis Abdurrahman et à l'ensemble de vos auditeurs et auditrices euh, qui nous suivent euh, matinalement ce dimanche. comme vous venez de le dire, euh, je pense que nous venons de sortir d'élections législatives auxquelles nos concitoyens ont voté et au terme des suffrages qui sont valablement exprimés, euh, je pense que la majorité s'est dégagée pour la coalition Benoît Bokoyakar. Ce qui nous a donné au plan des chiffres 82 députés. Nous avons également le plaisir d'avoir de recevoir l'engagement du président Pape Diop et de la coalition Bokoligay, ce qui nous donne effectivement une majorité. Et que, comme venez le dire, euh, le président de la République, mais également le président de notre coalition au plan politique, a reçu également, et ce qui est tout à fait normal, les députés nouvellement élus sous notre coalition. Et c'est important également quand nous allons vers euh, l'installation d'une institution qui est la deuxième au terme de notre architecture institutionnelle, mais du fait aussi que notre leader politique est le président Macky Sall, c'est normal, tout à fait normal également, qu'il reçoive ses députés et pour communier avec eux, les féliciter d'avoir été élu sous les bannières de la coalition Beno Bokoyakar, mais effectivement de faire un certain nombre de réglages. Avec Et quels ont été ces réglages finalement euh, Macky Sall a reçu ses députés, il y a eu des garanties qui ont été données. Euh, qu'est-ce que vous, sur quoi vous êtes entendu Non, pourquoi parler de garanties J'ai dit que c'est normal en tant que leader de la coalition qu'ils reçoivent les députés qui sont élus sous notre coalition, les féliciter, les encourager, mais également échanger avec eux et les donner, leur donner du moins les orientations de notre coalition. Et quelles ont été ces orientations Mais c'est de voter pour les choix qui seront faits. Moi qui vous parle, je, parle ainsi honneur des députés, je n'étais pas donc à la rencontre, mais je crois savoir que ce qu'il leur a dit, c'est de effectivement faire tout à l'Assemblée pour effectivement continuer à accompagner l'action de notre gouvernement, ce qui est le rôle de la euh, majorité. Oui, la formation de l'Assemblée nationale, j'imagine, ce, jour-là sera, euh, sera décisif, en hein, ce jour-là. Est-ce que vous avez les garanties pour pouvoir engranger euh, peut-être la présidence et les autres Moi, je reste confiant que nous avons largement la majorité et que nous élirons. vous avez plus, hein, le plus nous élirons effectivement le bureau qui sera présenté et euh, soutenu euh, par l'ensemble des députés qui seront élus sur la coalition Bernard Bokyakar et pourquoi pas même des députés de l'autre camp également. <laughs> Alors, Abdrahman, Sal de l'intercoalition Yewi uh-huh. Wallo, j'imagine que vous avez dû euh, vous aussi penchez sur la question et arrêter des décisions. Vous avez dû adopter des stratégies pour que le pouvoir ne vous dribble pas le jour J ou même que vous dribbliez la majorité, pourquoi pas, pour faire juger les postes clés, pourquoi pas euh, Merci bien, Alimou. je profite également de l'occasion pour saluer mon co-débatteur, Lamine Barra, et saluer l'ensemble des compatriotes qui nous regardent à travers aujourd'hui vos différentes plateformes. Mais avant de répondre à votre question, vous me permettez, M. Euh, Oudalimou, de faire un petit coup de gueule. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand on regarde euh, la configuration de l'Assemblée nationale et qu'on regarde également notre loi fondamentale, qui voudrait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait des représentants du peuple, c'est cela que le peuple a choisi, et qu'on a un processus électoral, et qu'à l'issue du processus électoral qui devrait aboutir à ce que les véritables représentants du peuple, ceux en qui le peuple a confiance, ne s'y trouvent pas. Je crois que c'est le lieu de s'interroger aujourd'hui sur le processus. Qu'est-ce que vous voulez nous dire clairement Ce que je veux dire clairement, c'est que quand on regarde, quand on se souvient de la campagne électorale, on regarde la, de la campagne qu'a fait nos différents leaders, on a vu quand même tout cet accompagnement populaire qui a accompagné les leaders de Yewi Askanbi. Aussi bien le président Ousmane Sonko, le président Détiefal, et j'en passe. Il y avait quand même une grande euh, mobilisation autour de leur et malgré tout, vous n'avez pas la majorité. Je reviens sur, je reviendrai sur ça. Et, et donc, ce qui veut dire qu'il y avait des Sénégalais, énormément de Sénégalais qui avaient confiance en eux, qui voulaient que ces gens-là les représentent à l'Assemblée nationale. Et si, au terme du processus, on se rend compte que ces gens-là, en qui le peuple a confiance, une bonne partie du peuple, en tout cas, avait confiance, était prêt à accompagner, ne se retrouve pas au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que, quelque part, l'esprit démocratique a été trahi. Quelque part, on doit s'interroger sur le processus. Vous voulez dire qu'on a volé les élections, c'est ça Non, pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le processus électoral qu'on a eu, qui a abouti à l'élimination de la liste majoritaire de la coalition Yehui Askanbi, a fait de sorte que les gens, les, les, les leaders de la coalition Yehui Askanbi, qui qui de toute façon tout le monde se rend compte qu'il porte, Ousmane Sonko a eu 15% lors des élections présidentielles, qu'il porte quand même quelque part les aspirations du peuple, si ces gens-là ne sont pas à l'Assemblée nationale, alors que le rôle des élections, c'était de permettre aux citoyens de faire une délégation de pouvoir. Qui vous a éliminé Qui a éliminé cette liste dont vous parlez Les juridictions compétentes en la matière ou alors euh, euh, la majorité Non, ce que je veux dire, c'est que même si quelque part il y a eu des erreurs, quelque part, et que, in fine, on élimine la liste, cette élimination de la liste a fait de, a privé la population, les citoyens d'un choix. Et le fait que, qu'on leur prive un choix, quelque part, c'est une entrave à la démocratie, c'est une entrave en fait à l'état de droit parce que parce que l'objectif d'une élection c'est de permettre aux Sénégalais de choisir des hommes en qui ils ont confiance. Je pose ce problème pour que tout simplement que c'est un c'est un coup de gueule citoyen pour qu'on essaie de regarder encore une fois le processus électoral, pour que le processus électoral en aucune manière ne permette d'éliminer Vous avez eu le temps peut-être euh, d'aller au cours du, dialogue politique, euh, de d'en parler et d'apporter les réformes nécessaires. Je pense que, est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas perdu du temps Non, en fait, euh, vous savez, la démocratie, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire de la population. C'est la population elle-même qui doit apprendre de cela. C'est les Sénégalais en qui on a privé en fait un choix. C'est pour ça que je dis que c'est un goal citoyen qui doivent en fait se poser cette question-là, se dire est-ce que aujourd'hui on doit laisser ce processus électoral continuer Est-ce qu'on ne doit pas le réviser encore pour que demain, que pour pour des pour des erreurs qu'on élimine des gens en qui ils ont confiance. Euh, malgré tout, c'est avec euh, euh, ce processus-là, c'est ce processus qui a conduit à ce que vous arriviez aujourd'hui presque au coude à coude avec la majorité à l'Assemblée. Mais tout à fait. Mais tout processus est à parfaire. Quand on sort d'une élection, on doit apprendre, en fait, euh, de ces élections-là et corriger. C'est plus pour l'avenir, pour que demain, encore, que des gens, porteurs d'espoir d'un peuple, ne soient pas éliminés sur, la simple sur le simple fait qu'il y ait des erreurs. Ce serait dommage pour la démocratie. Donc, pour maintenant, maintenant pour répondre à votre, à votre question, euh, effectivement, nous, en fait, on a mené une campagne. Et dans notre campagne, on a posé des débats. On a posé le problème de la candidature du troisième mandat. On a posé le bilan de la législature passée. Et cette législature-là, nous tous, nous savons qu'elle est complète. on dit même que c'est la pire législature que le Sénégal ait connue. Parce que, parce que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est de voter des lois et des budgets, c'est de contrôler l'action gouvernementale et c'est d'évaluer également quelque part les, les, décisions, les décisions politique publique. Quand on se rend compte que la, dernière législature... Votre mentor en est euh, quelque part aussi responsable et comptable. Mais, mais, tout à fait. Chez Mais tout à fait. Détiéfal en est comptable et aujourd'hui, tous les, tous les Sénégalais se souviennent de ses positions courageuses qu'il a eues au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre, en fait, le peuple à tout moment. C'est ce qui lui a valu même, en certains moments des sanctions du bord où il se trouve, parce qu'il a, il a tout simplement voulu être cohérent au mandat que le peuple lui avait confié. Parce que le peuple lui avait confié un mandat quand il était dans l'opposition. Il tenait un discours d'opposant. Quand il était à l'Assemblée nationale, quand son président, le président Idriss avait voulu rejoindre, il, il a voulu rester conforme à cette ligne-là, contrairement à certains aujourd'hui qui ont tenu un discours d'opposant dans la campagne électorale passée, qui le Sénégal a confié des voix par rapport à ce discours-là, et qui, dès le lendemain, sont allés rejoindre l'autre camp. Alors que ils ont tenu durant la campagne électorale des discours d'opposants, des discours fustigeants, en fait, euh, la démarche du président Macky Sall et que un jour, deux jours après, ils sont complètement référés. Est-ce que le président de excusez-moi, je termine, le président a été conforme et aujourd'hui assume pleinement son rôle par rapport à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour revenir, à, pour continuer mon développement par rapport à votre question, aujourd'hui, nous, Oh, il a dit que la coalition Beno Bokiyakar a eu 82 députés, c'est vrai. Mais l'opposition tout entière a eu 83 députés. Parce que tous les gens, tous les candidats, les coalitions qui ont tenu un discours d'opposition, je les compte dans l'opposition. Pabdiop a tenu un discours d'opposition, a attaqué le régime du président Macky Sall. C'est sur cette voie qu'on lui a donné, que les Sénégalais ont voté pour lui. Le Sénégal est toujours dans l'opposition. Mais à Sénégal est dans l'opposition, a tenu, en tout cas, quand on se tient dans le discours qu'ils ont tenu, ils ont tenu un discours. Et que faites-vous du propos de Sonko qui les avait rangés au-delà <laughs> de la majorité Au-delà des propos de Sonko, je me tiens au discours tenu. la cohérence, ou la cohérence non, la, cohérence, je la cherche dans les, dans les propos tenus par la coalition Art Sénégal. C'est là où je cherche la cohérence. Et quand je regarde cette cohérence-là, la coalition Art Sénégal a tenu un, des discours d'opposants. Donc aujourd'hui, il est clair que l'opposition tout entière a eu 83 députés et que la coalition Benno a eu 82 députés. Il est clair aujourd'hui que grâce au plan d'Echefal, qui a, qui a sorti un plan qui les a complètement perturbés, qu'aujourd'hui que euh, l'intercoalition a eu 1 548 votants qui ont voté pour l'intercoalition contre 1 million Mais Donc, il y a à plus la de fin Sénégalais. Des à la fin des fins à l'Assemblée nationale, vous vous retrouvez quand même minoritaire parce que la majorité a réussi à avoir euh, la voix de Pape Diop, 83 députés. C'est ce, qui est, dommage. Ce qui est dommage, c'est que après des élections, que le peuple s'est prononcé, qu'on ait posé des questions au peuple, que les peuples s'est prononcé et donnant majoritairement ses voix à l'opposition au niveau du pouvoir, au lieu de faire une lecture objective de cette situation-là, pour savoir que les Sénégalais les ont parlé, d'analyser ces résultats et de trouver des solutions aux aspirations des Sénégalaises, ce qui se passe, c'est que le président Macky Sall a continué à être fidèle à ses, à ses, pratiques pour encourager la transhumance, pour continuer certainement à continuer à mettre en œuvre ces politiques machiavéliques que le peuple a sanctionnées. Le président Macky Sall aurait eu de la grandeur la grandeur d'analyser froidement le message du peuple, savoir que le peuple lui a adressé un message et de l'analyser en toute modestie et savoir qu'il est là pour le Sénégal et pour les Sénégalais et pas pour, pour, son parti. Euh, Lamine Barra, Lamine, Kiam euh, du Parti démocratique sénégalais mandataire de Wallou. Hein dans une interview qu'il a accordée à nos confrères du journal L'Observateur, a multiplié les accusations à l'encontre de Benno Bokyakar qui euh, fait euh, Benno euh, qui ferait miroiter des monts émerveilles à certains députés euh, pour les avoir dans, son escarcelle. Madame Aïdambour, j'avais fait la même accusation un peu plus tôt. Lamine Bara, vous continuez, tout cela c'est pour contenir les assauts de la majorité, de l'opposition euh, merci merci Aliou. Moi, j'écoute mon frère Sal, mais je pense que le débat sur les investitures est déjà clos. Nous sommes partis aux élections, les Sénégalais ont voté. Et on a suivi au sorti des investitures également ce qui s'est passé dans votre coalition. Euh, les gens se sont donnés un spectacle, se crépant le chivon. Ça également, ça a été fait. Votre leader a été accusé. On a vu également ce qui s'est passé à tout le Sénégal avant l'élection. Bref, ça c'est un épisode qui est déjà dépassé. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes allés à une élection. Les, élections législatives, les Sénégalais ont voté. Et il est ressorti de ces suffrages-là que la coalition Bernard Bokoyakar est sortie majoritaire de ces élections. Je suis d'accord, et nous l'avons reconnu, que l'opposition a fait une percée remarquable. Ça, c'est également tout le mérite de notre démocratie. Vous êtes passé de 125 Contrairement à, vous qui disiez en son temps accuser le fichier électoral, tout ça, ces élections également ont prouvé effectivement que notre fichier électoral et le ministère de l'Intérieur et les fonctionnaires qui le gèrent sont largement dignes de confiance. Ça également, nous avons eu le satisfait de l'ensemble des délégations d'observateurs qui ont supervisé ces élections ce qui rentre en porte-à-faux avec le discours que vous teniez bien avant ces élections. Ça, c'est important. Troisième élément, comme vous le dites, euh, nous, on n'est pas dans le jeu de débauchage de députés. Non, je pense quand même que tous ces députés-là qui ont été investis sur les différentes listes, que ce soit celle de l'opposition comme de la majorité, doivent quand même bénéficier du respect des Sénégalais. Ah, mais on a entendu, Mme Madame je vous accuser directement de vouloir acheter des députés tout comme l'amitié du Parti démocratique sénégalais. Je pense quand même que le terme même est impropre. Acheter, ça veut dire quoi On est sorti des élections locales. Est-ce qu'il n'y a pas eu des maires, après les élections locales, qui ont pris leur responsabilité de rejoindre notre coalition nous sommes également dans le jeu politique. Que vous avez attiré. Voilà. Hein? Que vous avez non, attiré. il n'y a pas attiré. Un maire qui est parti en élection, qui a été élu sous sa bannière contre nous, mais qui accepte après de répondre à la main tendue de notre coalition, mais ça, c'est leur liberté. Il faut également qu'on reconnaisse aux gens quand même leur liberté. Nous avons enregistré des responsables Est-ce que c'est démocratique de débaucher des députés de l'adversaire, euh, ce que vous n'avez pas obtenu par les urnes, les urnes que vous le tentiez avec l'argent Aliou, on ne débauche personne. Est-ce qu'on n'a pas noté ici un ancien ministre de Saint-Louis qui a quitté notre coalition pour aller dans l'opposition est-ce que vous avez entendu se prononcer sur ça C'est sa liberté que nous respectons. Nous, nous continuons à Vous pensez à maritonial. Non, je n'ai pas besoin de le citer. Mais j'ai dit, c'est un exemple, même si c'est un exemple quand même indigne d'un universitaire qui, a été dans qui a été dépositaire de la confiance du président de la République pendant plus de sept ans, à une fonction aussi éminente que celle de ministre. Ça également, il faut le préciser. Bref, ce n'est pas l'essentiel du débat. Ce qui est important est qu'il faut respecter les députés. Nous sommes maintenant à l'Assemblée nationale, c'est un jeu d'alliance. Les gens sont élus dans des listes, mais quand ils rentrent dans l'Assemblée nationale, ils ont le manteau de député du peuple. Et dans le jeu des alliances, ils peuvent rejoindre la coalition Benoît Bokeyakar. Ça, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Mais si ça arrive, ce n'est pas une première dans notre pays. Parce que le jeu des groupes parlementaires, c'est la liberté des députés. Vous, êtes en train de discuter avec des députés de, euh, de euh, pour que ces derniers non, Non, moi, je ne suis pas à ce niveau de responsabilité, je ne suis hmm. pas député. Vous n'avez rien dit. J'ai dit, ça, ça arrive que ça ne, puisse pas, ça ne doit pas constituer quand même un scandale les députés à l'Assemblée nationale, ils sont libres de, euh, de, s'allier, de, en tout cas de prendre la carte du groupe parlementaire qui, qui leur convient. Ça, c'est leur liberté également. Ce que notre loi interdit, c'est qu'un député qui démissionne de son parti pour aller rejoindre un autre parti, il perd, son mandat. Mais à l'Assemblée, c'est des jeux d'alliance de groupes parlementaires. Moi, en tout cas, je reste même si ce que je souhaite est que les députés qui sont élus sous la bannière de l'opposition restent dans l'opposition. Mais nous, nous avons notre groupe parlementaire et à travers ce groupe parlementaire, nous pourrons gérer nos députés, l'Assemblée nationale, et ensuite nous pourrons également soutenir, comme il le faut, l'action de notre gouvernement. Parce que ça également, c'est la première mission d'un groupe parlementaire et d'une majorité. C'est de soutenir l'action de son gouvernement. Et je reste convaincu que la coalition Benno Bokoyakar, le groupe parlementaire de la majorité, sera constituée nous élirons librement notre président de l'Assemblée nationale qui, fera, qui aura l'ainsi honneur d'être choisi par le leader de notre vous coalition. Êtes sûr que vous aurez nous constituerons librement également notre groupe parlementaire et le bureau de l'Assemblée. C'est ça qui va arriver maintenant. Le reste, maintenant, je ne suis pas dans des jeux de débauchage parce que moi, je ne crois pas à ça. Ce à quoi je crois, c'est que les députés qui sont élus sous la bannière de leur coalition restent dans leur coalition. Si des députés maintenant prennent leur responsabilité de venir rejoindre la coalition Bernard Bokayakar, moi j'applaudis et je demande à notre coalition de les accueillir à bras ouverts. Parce que l'Assemblée nationale également, nous avons besoin que les politiques publiques les ministres qui seront demain dépositaires de la confiance du président de la qui vont aller à l'Assemblée nationale défendre ces, projets de budget, qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement également de ces députés. Moi, j'ai la chance quand même depuis ces 6 ans, 7 ans d'être dans les départements ministériels, d'accompagner des ministres à l'Assemblée nationale et de voir comment également le jeu démocratique se fait au niveau de notre Abdraman Sall, Abdraman Sall, <laughs> euh, jusque-là, vos députés continuent de résister à l'appel euh, de la majorité apparemment. Vous pensez que ça va continuer Vous mhm. n'aurez pas de fissures euh, le jour de l'installation du bureau Merci bien. Bon, avant tout, hein, je, permets je me permets de répondre un tout petit peu à certaines interrogations, certaines positions prises. les investitures, c'est passé, c'est vrai. Et je comprends maintenant pourquoi véritablement que la majorité euh, n'arrive pas à faire de bons bilans. C'est qu'ils n'apprennent pas du passé on ne peut plus revenir sur ça, c'est vrai. Mais, mais ça, aurait été quand même été intéressant qu'on apprenne de ce qui s'est passé et en conformité avec l'esprit démocratique et l'esprit de la fonction pour avancer. Oui, Également, euh, c'est vraiment dommage, hein, que, et c'est d'ailleurs ce que nous, nous regrettons, que les politiques continuent à nous parler de jeux politiques, alors qu'on est dans un jeu démocratique, on est en démocratie. En démocratie, quand le peuple parle, on doit respecter le message du peuple. À l'alliance, euh, à l'Assemblée aussi, c'est un jeu d'alliance. Hein. Euh, il y a des fois aussi du compromis qui se fait. C'est vrai. Mais dans toutes les alliances, en général, c'est des alliances de nature, de même nature qui se font. On ne ah. peut pas, on ne peut pas. <laughs> Si, on ne peut pas. Et dans votre coalition, il y a des alliances euh, dont certains pensent qu'elles sont des alliances contre nature aussi. Hein. Oui, mais, mais ce qui est sûr, c'est que avant d'aller aux élections, on a, on a mis à place des coalitions et l'intercoalition. On s'est tombé d'accord sur un message qu'on va défendre lors des campagnes électorales. On a tenu ce message-là. On a fait campagne avec un discours. On a tenu campagne avec des promesses, avec des engagements sur une législature. On a fustigé le, le, le bilan du président Macky Sall. On a fustigé ses politiques. Si, malgré cela, après une semaine, on se retrouve dans, ce, dans le camp de la majorité, quelque part, c'est une trahison. Quelque part, on aura trahi le peuple en qui on a parlé et qui a décidé de nous accorder, de nous accorder euh, ces, suffrages. et l'Assemblée, vous êtes Et d'ailleurs, je comprends, je comprends, je quand il parle de jeu politique, je comprends maintenant mieux comment, en fait, l'esprit est façonné au niveau de la coalition Benno Bokuyakar. Parce que quand vous vous regardez, Aujourd'hui, le président Macky Sall, en 2016, il nous, met, il, nous met, il nous propose une constitution. Et dans la constitution, le président Macky Sall, avant qu'on ne vote la constitution, il essaie de vendre sa constitution. Il fait campagne pour sa constitution. Il vient, il me demande, moi, en tant que citoyen. non, hein. laissez-moi terminer. Il me demande, non, c'est pour montrer, en fait, la logique qui sous-tend l'esprit de, la coalition Bernard Bokiyakar. Il il me demande moi en tant que citoyen, je lui demande moi en tant que citoyen, mais monsieur le président, est-ce que si je vote votre constitution, est-ce que vous allez faire un troisième mandat Est-ce que ce mandat-ci est compté Il me dit, ce mandat-ci est compté. Donc, on va non, non, non, non, non, non, non, c'est extrêmement, non, c'est extrêmement important. non, non, non, c'est extrêmement, important. non, non, c'est extrêmement important. Sur l'Assemblée nationale, non, et sa composition Ça, ça, ça, Monsieur Sall, on va, on va parler, on va poursuivre. Ça a un lien. C'est tout simplement pour dire, tout simplement, qu'un président de la République qui prend des engagements vis à -vis de son peuple, et que ce peuple vote par rapport à un engagement pris. Et que après, pour des jeux politiques, comme il dit, pour des jeux de combinaison politique, n'est-ce pas, ils font fi des engagements pris vis-à-vis du peuple. Je crois que ça, c'est des actes quand même de trahison envers son peuple. Alors, donc, revenez, à la composition de l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes en intercoalition avec Wallou. Vous aurez deux groupes parlementaires distincts ou alors vous ferez... Aujourd'hui, aujourd'hui, au niveau de l'intercoalition euh, Wallou, que, donc, que je rappelle hein, que le président Détiéfal a, terrorisé théorisé et a mis en place, aujourd'hui, il y a un comité scientifique qui est mis en place, piloté toujours par le président Détiéfal. On est en train de voir avec nos partenaires quelle configuration on va avoir à l'Assemblée. C'est le renard des bois. <laughs> bon, mais <laughs> bon, euh, de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, le président de Tchéfal aujourd'hui, ses compétences stratégiques est reconnu aujourd'hui par euh, tout le peuple sénégalais, même ceux de l'autre camp, quand même, le, reconnaissent. Et c'est tout heureux qu'on ait des gens comme ça dans l'opposition qui permet, qui, en fait, euh, qui permet de nous sortir des stratégies. malgré pour tout, faire vous avez face eu des difficultés à... confectionner aussi vos licences. Hein. Bon, vous savez, euh, nous, on n'a jamais promis aux, Sénégalais d'être des gens qui ne feront pas d'erreur. Alors donc, on la a, non, non, non, non c'est important. On, a, on en a fait et on en a, on en a, on en Deux groupes Ce qu'on a promis aux Sénégalais, c'est d'être des gens compétents, des gens dignes, des patriotes. Comment ça va se faire à l'Assemblée Comment vous allez euh, vous présenter là-bas Vous aurez deux groupes euh, parlementaires bon, distincts C'est ce que je dis. Aujourd'hui, on est en train donc avec le président qui, qui, qui, pilote donc ce comité-là, avec, avec la coalition Walou, donc de réfléchir, de mettre en place cela, ce n'est pas encore terminé, et à terme, il y aura une communication sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la cohabitation est actée. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on aura un partage des postes de vice-président avec la coalition Penobok. Un partage des postes, non une cohabitation. Hein. Bon, ça dépend de ce que vous entendez. En tout cas, ce qui se faisait ne peut plus être la aujourd'hui euh, ce qui se faisait, c'est-à-dire avoir une majorité mécanique qui vote tout ce qui passe là-bas et qui ne va contrôler aucune action gouvernementale. Imaginez aujourd'hui sur les problèmes des inondations. Aujourd'hui, avec le plan décennal, dix ans après, on est toujours sous les eaux et que l'Assemblée nationale, soi-disant, a fait une commission d'enquête parlementaire et que rien, rien n'en est sorti. Alors que c'est un échec lamentable. Dans l'évaluation des politiques euh, publiques, du gouvernement. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'en a évalué aucune. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui a un taux d'endettement extrêmement élevé, jusqu'à ce que, même pour financer des infrastructures telles que l'hôpital Aristide Le Dantec, on est obligé de vendre les bijoux de la famille parce que tellement on est à un taux d'endettement qui avoisine les 68%, alors qu'on a une limite autorisée de mois de, de, 70%. Et tout cela, l'Assemblée nationale joue aucun, ne joue aucun rôle par rapport à, à, à, cela. D'accord. merci. Donc c'est sûr que cette, cette, euh, cette, euh, cette, assemblée qui est, qui est donc euh, qui a été mécanique, on ne l'aura plus. Mm-hmm. On va contrôler, mm-hmm. on ne va plus valider ces budgets-là qui, qui, qui passaient comme lettre à la poste pour financer des investissements de prestige qui n'ont aucun impact sur l'économie du Sénégal, tout ça, ça n'aura plus lieu. Les commissions d'enquête seront mises en place pour tous les détournements, pour toutes les malversations qui sont faites et de manière très sérieuse, et ça, ils le savent. Alamine Barra, vous êtes prêt à accompagner Oui, je pense quand même. J'écoute mon frère Salle, mais euh, peut-être que c'est la fougue de la jeunesse et du nouveau parti qu'il sur quoi il surfe. Mais je pense que quand même que il faut savoir quand même raison garder la réalité des chiffres est que nous avons largement la majorité à l'Assemblée. Largement. Absolument. Notre coalition et notre groupe parlementaire et notre majorité ont aujourd'hui toutes les possibilités pour accompagner convenablement les politiques publiques présentées par le gouvernement de la majorité. Et on verra. et on, verra, on verra, on verra avec euh, ce qui va se faire à partir de lundi. Qu'est-ce que vous insinuez là le 12. Qu'est-ce que vous insinuez J'insinue tout simplement, j'ai pas insinué. Moi, je suis dans l'affirmation. Je vous ai dit, Aliou, que moi, quand même, toute mon récit mis à part, voilà, sept ans que j'accompagne des ministres à l'Assemblée. J'ai énormément de respect pour cette institution et pour le travail qui est fait par les parlementaires dans les commissions techniques, où se fait déjà l'essentiel du travail parlementaire, mais également en plénière. J'ai vu des députés, aussi bien de l'opposition que de la majorité, faire un travail extrêmement important, poser des questions très pointues, interroger les ministres sur le déroulement des politiques publiques. Et je sais aussi que cette, nouvelle législature 14e qui s'annonce sera effectivement une législature où le jeu démocratique va monter à un niveau supérieur. Parce que c'est normal, parce que l'opposition, effectivement, est représentée à travers deux groupes parlementaires. D'accord. Ça, c'est important et c'est à l'actif mhm. du jeu parlementaire. Mais toujours est-il que nous restons confiants que le nombre de députés dont nous disposons durant cette 14e législature est à même d'accompagner correctement les politiques publiques nous n'avons pas de crainte à ce niveau. D'accord. C'est ça que je vous dis. Euh, je rappelle que vous suivez la radio Futur Média en direct Dakar. Nous émettons Mohamed Ali Mouba au micro. J'ai deux hommes politiques dans ce studio pour remuer l'actualité de la semaine. Euh, Lamine Baragay, directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEPS, membre des cadres républicains Abdurrahman Sal, ingénieur polytechnicien président des cadres du PRP, le parti républicain pour le progrès de Monsieur Dikifal, membre de Yewi Merci encore une fois de plus d'être venu. Je me tourne du côté de vous, Abdrahman Sal. Euh, une fois que la législature sera installée, quel sera le premier chantier que vous allez engager De toute façon, comme on l'a dit, parce que nous, on a présenté un programme de législature euh, au Sénégal lors des campagnes électorales. Donc, on va poser euh, beaucoup de projets de loi. Maintenant, Proposition de loi voilà, beaucoup de propositions, des propositions de loi allant dans le sens de l'optimisation aujourd'hui des institutions consultatives aujourd'hui qui, on le sait tous, sont des institutions à l'image du HCCT, des extrêmement budgétivores et qui ne rapportent absolument rien et, et, je rappelle oh. que vous avez ajouté dans l'air aussi la criminalisation de l'homosexualité, la baisse euh, du coût de la vie, peut-être euh, à renégocier aussi euh, certains contrats. Alors, on sait que ce n'est pas toujours évident de faire passer une proposition de loi, ça c'est connu. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des ressources publiques, à moins que ces propositions euh, ne soient assorties de recettes compensatrices. Ça, c'est l'article 80 de la, Constitution. et vous avez aussi l'obstacle de la majorité qui peut bloquer à travers le bureau et le dernier obstacle, le président de la République. Concrètement, avec ça, est-ce que vous pensez que vous pourrez engager grand-chose Bon, naturellement, si euh, la coalition Beno Yakar fait fi du message des Sénégalais, qui a donné, comme je le répète, contrairement à ce qu'il dit, la majorité parlementaire à l'opposition sénégalaise. Il dit que la majorité a 82 députés, c'est vrai, mais l'opposition a 83 députés, même s'ils ont, s'ils ont parvenu à en débaucher un. Je crois qu'ils s'inscrivent à la fin de leur, de, leur, de leur cycle de vie. Répondez à ma question. Les propositions de loi, est-ce que vous pensez que vous pouvez les engager, vu euh, la loi Non, tout à fait. On va, on, va, on va les engager et on va se battre pour que ça passe. Parce que c'était, ce sera des propositions très consolidantes. Parce qu'aujourd'hui, comme, comme, comme revoir les contrats, aujourd'hui pétroliers et autres, ça, je ne pense pas. C'est une demande aujourd'hui sociale. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'il y a une véritable nébuleuse. On ne sait pas comment c'est fait. Nous allons poser des, des, des, des, propositions dans ce sens. À moins que nous vous allons modifier le règlement intérieur, les, lois organiques, l'Assemblée nationale. Euh, et là, on sait qu'il faut euh, une majorité des trois cinquièmes. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Non, ce n'est pas ah, gagné. Mais, c'est-à-dire que même les propositions que nous allons faire seront en phase avec cette loi organique. Parce que ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui posent des, projets qui vont dans le sens de la diminution, quelque part, des recettes de l'État. Mais nous, nous allons apporter des solutions qui va, ah, qui va augmenter les possibilités du Sénégal. Parce que c'est possible. Aujourd'hui, quand on regarde les dépenses publiques, les dépenses de l'État, euh, le train de vie de l'État, comment c'est fait Aujourd'hui, quand on regarde les organes de contrôle de l'État, comment ça fonctionne, ou qu'il y a le président de la République qui aujourd'hui peut se permettre de, mettre, le coup sur certaines, certaines décisions. Ça, c'est des constats qu'on a des... fait, mais, j'aimerais vous entendre sur la procédure, comment vous allez engager tout cela euh, pour que ces propositions de loi passent. Mais on va les passer par... Vu l'état de la loi. Oui, mais qu'est-ce que la loi dit La loi n'interdit pas à des députés de proposer des projets. Mais vous connaissez les obstacles qu'il y a. Mais, les, obstacles, c'est vrai. Mais on va faire face à ces obstacles. Vous allez modifier la, loi Mais s'il le faut, on va modifier. Mais là, il faudra... Mais, Comment vous allez faire Or, vous n'avez pas la majorité. Non, voilà, voilà, voilà le grand problème. C'est-à-dire que vous êtes en train, dans votre question, de supposer que toutes les initiatives que nous allons prendre, même si elles sont bonnes, elles auront le blocage du, camp, de, la majorité. Non, non, non, pas le camp de la majorité forcément, mais, je parle, de, la loi euh, sur, l'Assemblée nationale, mais, la, loi euh, à ce niveau qui ne le permet pas. Non, la loi ne le permet pas. la procédure. Mais, pourquoi on rêve peut-être par un sursaut de, patriotisme que les, les députés de la majorité même je rêve peut-être que, analysant le message des Sénégalais, que quand ils verront des propositions de loi venant de l'opposition, pourquoi ils n'adhéreront pas à cela Maintenant, si on se dit que toute proposition de loi qui viendrait de l'opposition va renforcer l'opposition et aura le blocage de la majorité, je dis que ce sera vraiment très dommage. Ça veut dire modifier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale euh, pour euh, rendre plus souple les propositions de loi. Oui, je pense que même que j'écoute mon frère Sall, mais je pense qu'il n'a pas beaucoup échangé avec son leader, euh, qui a été quand même un bon parlementaire à l'Assemblée, sur le fonctionnement de l'Assemblée et sur le règlement intérieur. Je pense que pour ce qui est de la réglementation actuelle, les députés ont effectivement la possibilité de l'initiative de loi. Mais quand il s'agit, mais pourvu que ce soit des lois, s'il y a incidence financière, c'est à eux de faire des propositions. Où est-ce que ça va trouver des, la prise en charge Parce que ne euh, faut pas également qu'il y ait des initiatives qui vont aller dans le sens de gréver le budget de Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi, actuellement, au niveau du Parlement. Mais toujours est-il que notre Assemblée, notre euh, majorité, depuis notre arrivée en 2012, a travaillé quand même à améliorer le fonctionnement de l'Assemblée. Actuellement, il est effectivement question de revoir le fonctionnement du règlement intérieur de l'Assemblée. Je pense que c'est un, chantier, un chantier sur lequel euh, les il faut <laughs> pour, modifier travailler à, ces lois-là, il faut une majorité 3 5 Et sur le principe, vous ne l'avez pas. Ce que je dis sur le principe est que notre majorité est ouverte à tout ce qui participe quand même à améliorer le fonctionnement de notre Assemblée nationale. Et quand même à notre décharge, je parle sous le contrôle des députés de la défunte législature, qui accepte quand même que notre majorité a fait des efforts importants sous la gouvernance du président Macky Moustapha Nias, que je salue au passage, pour améliorer et réformer le fonctionnement de l'Assemblée. Aujourd'hui, on l'a vu avec les assistants parlementaires, on l'a vu également avec euh, euh, la possibilité, l'usage des langues nationales. Aujourd'hui, les députés parlent sur huit langues, vous parlez, le député parle, c'est traduit, la traduction mais également sur la notre diplomatie parlementaire. Je pense quand même qu'on a vu ici défiler pendant ces sept ans plusieurs présidents d'Assemblée nationale du monde. Ça, on le doit quand même à la vitrine de notre Parlement et au, leadership du président Macky Sall et du président Moustapha et je pense que quand même que ces chantiers-là, la, nouvelle équipe parlementaire qui va s'installer également va continuer à améliorer ces chantiers-là. Mhm. Et c'est le lieu quand même de rendre hommage au président Macky Sall, au gouvernement qui accompagne l'institution parlementaire, mais également au président Moussa Fagnès qui a managé cette assemblée pendant ces sept ans. Ça, de euh, Ça, même les députés de euh, l'opposition l'ont reconnu. L'amnistie de karimouad de hein? Khalifa Sall, agitée non, Je pense euh, que quand même, ça, c'est du point de vue de l'Assemblée. Le président, notre leader politique, s'est déjà prononcé sur ça. Tout ceux qui participent à renforcer notre démocratie, Makissal est ouvert à ça. Maintenant, ces questions que vous évoquez, le moment venu, quand ça arrivera, je pense que notre majorité également en parlera. Le moment Mais ce qu'il faut reconnaître est que nous, on n'a pas peur de que Maki, euh, Karim Wad revienne dans le jeu politique, que Khalifa Sall revienne dans le jeu politique. Ça, en tout cas, moi, c'est mon souhait. Nous, on n'a rien à, craindre à ces gens-là. En 2012, nous étions face au PDS à la CAP 21 avec Karim Wad et tous les moyens de l'État. Aliou, ça, il ne faut pas l'oublier. Nous avons battu ces gens-là en 2012. Comment pouvons-nous aujourd'hui Battre ces gens-là en 2012, gérer le pays pendant ces 10 ans, avec toutes les réalisations que le gouvernement du président Macky Sall a réalisées, les gens pensent qu'aujourd'hui, on a peur de cette opposition ou bien de Karim Ouad. Qu'ils viennent dans le jeu politique, on fera face. de toute façon, ce qui est clair, hein, euh, aussi bien euh, Karim, Ouad, le PDS, le répète très souvent, n'est pas favorable même, ne demande pas une loi d'amnistie, mmh. une révision, de, de, projet, de, de Du, procès. Euh, Khalifa Sal aussi, on n'a pas encore entendu demander une quelconque loi d'amnistie. Mais par contre, nous tous, nous savons qu'ils ont été quand même injustement euh, écartés du jeu politique. Et comment vous comment entendez-vous les ramener dans le jeu Mais de toute façon, comme j'ai dit, le président Macky Sall, euh, il dit qu'il n'a pas peur en fait de ses opposants là, et qu'en 2012 il a gagné, mais en 2017 il a tout fait pour les écarter. Et en 2017, l'article qu'il avait, il avait modifié la loi, la loi électorale en incluant dans le code électoral que pour être, pour être éligible, il fallait être électeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire au niveau de la loi électorale pour leur redonner, en fait, leur, euh, euh, droit, leur droit de citoyen. De en quoi faisant Bon, il y a, de façon, on est en train de réfléchir, on va réfléchir au niveau de la coalition pour voir, en fait, euh, quelles sont les voies juridiques et les voies légales du moins, qui, qui permettrait en fait de les réhabiliter, mais sans, sans en fait euh, poser des problèmes de principe, de principe de gouvernance au, niveau donc de la gestion globale du pays. Parce que je crois que c'est pour cela que d'ailleurs que Karim Wad euh, a rejeté l'idée de, la loi d'amnistie, parce que quelque part, accepter une amnistie voudrait certainement dire une reconnaissance quelque part des, des, des fautes qui lui sont, qui lui, qui lui sont reprochées alors qu'ils continue à les nier et tout le monde sait que c'est des procès qui ont été organisés qui ont juste pour les éliminer. Alors donc, euh, Abdurrahman, je reste à vous, avec vous. Hein. Ousmane Sonko a déclaré sa, candidature pour la présidentielle prochaine. Il est en train de réorganiser son parti pour se faire. Vous êtes en coalition. Comment vous appréciez euh, cette situation Vous avez été pris de court Non, pris de court, non, parce que c'était dans la charte euh, de, la coalition. Il y a eu Askanbi. Dans la charte de, la coalition, il était prévu qu'on aille ensemble pour les élections locales et pour les élections législatives également qu'on aille ensemble et pour que les élections euh, présidentielles, chacun était libre de présenter son, candidat et qu'il y avait un accord en cas de ce contour de se, soutenir. Donc le président euh, Ousmane Sonko donc n'a pas trahi cela. Donc il a déclaré sa candidature après cela, donc il est dans le... Et tout le monde s'y attendait, tout le monde s'attendait à ce que personne aujourd'hui, je crois, euh, n'envisage une élection présidentielle au Sénégal sans le président Ousmane Sonko. Donc il ne nous a pas pris de cours, c'est dans la... C'est dans la normalité. D'aucuns estiment qu'il veut se soustraire euh, à la justice. Bon, ce qu'ils disent, ça n'engage que. Hein. Donc, avec des suppositions, on peut, on peut, on peut tout. <laughs> Euh, la suspicion est ouverte. Bon, mais de toute façon, on est pratiquement à 16 mois d'élection présidentielle. Il a une affaire au tribunal. Hein? Bon, il a une affaire. Au, il a une affaire au tribunal et que lui-même, si je me réfère à ses dires, il ne cesse de réclamer, de dire qu'il faut que donc ce procès-là tienne, se tienne rapidement. Il l'a toujours euh, donc réclamé. Maintenant, à la justice, en fait, euh, à l'État qui a la responsabilité de, de faire tenir ce procès-là, de le faire, ou bien en tout cas de l'entendre pour euh, également s'il y a un lieu de le constater. Mais en tout cas, lui-même, si on se tient à ses dires, il a toujours dit, tout le monde, les, vidéos sont là, les, tout, tout est là, il a toujours réclamé à ce que donc que cette confrontation ait lieu, à ce que en fait que le procès ait lieu pour qu'il puisse en fait retrouver toutes ses libertés. Lamine Barra, vous êtes prêt à tenir ce procès, Bon, le procès c'est pas à nous, c'est à la justice. Mais ce que je précise est que notre ami a dit, on a vu aussitôt les gens une précipitation pour déclarer des candidatures pour 2024. En tout cas, nous, pour ce qui est de la mouvance présidentielle, nous n'en sommes pas encore à ce débat-là. Ce qui nous intéresse, c'est que nous venons de sortir des élections législatives où, effectivement, les Sénégalais nous ont envoyé un message, lequel message nous allons le décrypter au plan politique, installer notre gouvernement. Je pense que s'il y a quelqu'un qui fera une lecture juste de ces résultats-là, c'est bien notre leader politique Macky et, vous avez dit avant que Ousmane Sonko euh, déclare sa candidature, il devrait passer d'abord devant la justice. Oui, euh, j'y arrive. Je disais que notre leader fera une lecture de ces résultats. Nous installerons notre Assemblée nationale, nous irons vers l'installation du gouvernement et nous continuerons à poursuivre le travail pour lequel les Sénégalais nous ont élus en 2017, euh, en 2019, au premier tour, le président Macky Sall. Mmh. L'agenda de 2024, nous n'y sommes pas encore. Maintenant, ceux qui se précipitent à déclarer leur candidature, parmi lesquels le président Sonko, comme il l'a dit tout à l'heure, euh, je pense que quand même qu'il est élu maire de Jigenshaw. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le maire de Jigenshore au chantier des préoccupations des populations de Jigenshore. Je pense que c'est le premier chantier sur lequel il est attendu, de se consacrer au travail pour lequel les Jigenshorois l'ont élu. Et nous souhaitons plein succès. Et l'État est disponible pour continuer à l'accompagner à Jigenshore comme l'État accompagne l'ensemble des communes qui sont des démembrements de l'État. Maintenant, pour 2024, comme vous avez dit, effectivement, euh, Ousmane Sonko, pour qui j'ai beaucoup de respect, a un dossier pendant devant la justice. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que ce dossier-là soit vidé, c'est bien, avant, bien lui et personne d'autre. Maintenant, ça, c'est dans l'agenda judiciaire. Et je fais confiance à la justice de notre pays de vider ce dossier-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, la fille avec laquelle il a problème, mais à ce que je sache, c'est un citoyen sénégalais. Adissar est, un citoyen, est une citoyenne sénégalaise qui mérite également que justice lui soit rendue. Il a porté une accusation. Mais il faut que la justice vide ce dossier-là. D'accord. D'ici 2024. Ah Donc, si euh, euh, son Si Sonko est blanchi, mais c'est ce que je lui souhaite vivement, il pourra en ce moment réclamer, euh, briguer le suffrage des Sénégalais. Pour 2024, Mais à ce que je sache, quelqu'un qui a un dossier devant la justice, ce dossier a quand même aujourd'hui, devrait quand même très mal gêner pour briguer le suffrage des Sénégalais. Pour 2024, vous êtes candidat, Macky Sall 2024, moi, je me suis déjà prononcé sur ça. J'ai dit, pour le moment, nous nous consacrons au travail. Répondre aux préoccupations des Sénégalais. vous n'avez pas Maintenant, encore, en 2024... Euh, pas encore qui sera votre candidat. J'ai dit, j'y arrive. En 2024, la question de la candidature présidentielle est d'abord une affaire personnelle. C'est au président Macky Sall d'apprécier en 2024 s'il veut faire acte de candidature. Et s'il fait acte de candidature en 2024, à partir de ce moment, il y a une seule institution dans ce pays à même d'en juger, c'est le Conseil constitutionnel. Rappelez-vous, à Liouba, en 2011, il y a eu cette jurisprudence. Nous étions contre la candidature d'Ablaïwad. Mais quand le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Ablaïwad, Macky Sall a été le premier à dire « je vais aux élections ». Et nous sommes allés aux élections et on a battu le Parti démocratique sénégalais. Maintenant, je termine sur ça, si vous permettez rapidement. Nous n'accepterons pas que les gens fasse un, une épée de Damoclès comme quoi que Macky Sall ne peut pas être candidat. Sur la base de quoi alors que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. Et d'éminents juristes, euh, euh, euh, parmi lesquels je citerai le professeur Zong, a dit ici que Macky Sall peut faire <laughs> candidat. Il va épuiser le temps. En 2011, vous aviez fait la même chose avec Ablaïwad. Allez-y. Donc en 2024, Sall, Macky Sall, non, tu ne vas pas épuiser le temps. Quand même. Macky Sall, est-ce que Macky Sall sera candidat Sur quelle base Sur la base tout simplement de ses propres dires. en 2012 Macky Sall avait dit julli gi ñaari rakk la benn bi juróom-ñaar la benn bi juróom la Je te rappelle aussi qu'il avait, l'initiative de diminuer son mandat de 7 ans à 5 ans donc, et que le Conseil constitutionnel ne l'a pas accepté. Donc, c'est sur cette base. donc, les paroles de Macky Sall ne lient pas le Conseil constitutionnel. Si, les paroles de Macky Sall ne sont que des paroles qui comptent que pour, du beurre, ça vraiment est reconnu par un de ses membres qui disent que les paroles du président de la République, c'est du beurre. Bon, ça n'engage Le président de la République, c'est différent de la <laughs> personne de Macky Sall. En 2024, si Macky Sall fait voilà, donc, euh, candidature, ah, et que le Conseil constitutionnel pour nous, pour nous, ce, ce débat est classé. Hein, pour nous, ce débat D'accord. Ah, merci. je voudrais vous remercier, Mamoudou Aliou, et remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis, remercier chaleureusement mm. mon co-débatteur et vous transmettre également les salutations de l'ensemble du personnel du ministère de la Santé. Merci beaucoup. Merci, euh, Lamine Baragay, le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS, e euh, membre des cadres républicains. Vous étiez un de nos invités en face de vous. Il y avait Abdurrahman Sal, monsieur donc Abdurrahman Sal ingénieur polytechnicien et président des cadres du PRP, Parti républicain, pour euh, donc le progrès de Monsieur, monsieur À 11h partout au Sénégal.